rendez-vous exceptionnel d'élégance, au événement collection Tabasco sur la 2 STI, VIP et Diaspora 221 en collaboration avec l'association des maîtres tailleurs du Sénégal, ADESMAT, vous présente les plus création pour la Tabaski avec les meilleurs tailleurs du Sénégal attention coiffeuse ici le boutique ou tissu ici le accessoires ici ci la def VIP people à diaspora 221 ah mboki, reo xew bango, minga ameti 2STV Moui donne rendez-vous boumak mat di rendez-vous élégance di rendez-vous bijoutier rendez-vous boutique rendez-vous boutique ou accessoires ici. tissu yi donne donne daje bu mat 2STV yi Adesmat àndandoog coiffeuse yi boutique yi ngir ngeen bokk ci 77 614 34 17 wala service commercial événement collection tabaski une première innovation sur la 2 TV, du VIP People et Diaspora 221 pour événement boutique boutique accessoire nañu